Le message était tout simple de cette conférence qui était d'élaborer le narratif africain. Élaborer le narratif africain, pourquoi Parce que les autres ont toujours parlé de nous et nous nous connaissons toujours à travers ce que les autres ont écrit de nous. Donc il devient urgent que nous-mêmes nous parlions de nous. Il devient urgent que l'histoire de la chasse ne soit pas racontée du seul point de vue du chasseur, que nous ayons notre version, parce que cette version-là nous ressemblera plus, cette version-là sera moins empreinte de, on va dire, de distorsion, d'interprétation et quelquefois de condescendance. Et de dire à cette jeunesse qui est celle qui va faire l'avenir, celle qui représente l'immense majorité de ce pays, 70%, qu'elle doit prendre la main. Elle doit prendre la main dans son narratif, que quelqu'un ne doit plus venir lui parler d'elle, c'est elle qui doit parler d'elle-même aujourd'hui. je pense que c'est important parce que les autres ont tellement parlé de nous avec des choses qui ne correspondaient pas que nous avons nourri de frustrations profondes. Euh, il faut qu'on s'en débarrasse. Qu'on soit fier, qu'on soit digne, digne. Il ne faut plus qu'on se voit seulement dans le regard de l'autre, mais qu'on soit nous. C'est un peu ça le message. Je pense qu'il s'agit d'elle essentiellement, c'est même pas une contribution, c'est qu'elle se prenne en main, c'est qu'elle ne se laisse plus compter son histoire. Donc c'est à elle de dire ce qu'elle vit, de parler de ses routes, de parler de son école, de parler de son art, de parler de sa vie au quotidien. Pas que quelqu'un vienne dire oh les artistes nigériens ils sont pas mal mais ils ont tel non c'est à eux de parler. L'autre ne doit pas toujours nous juger, même s'il peut avoir un regard sur nous, ça ne doit pas être ça qui doit avoir pignon sur rue. Ça ne doit pas être ça le seul point de vue, c'est ce que je veux dire. Je pense que c'est important qu'on entende aussi ce que les Nigériens pensent d'eux. Cette jeunesse nigérienne pense d'elle-même et de nous débarrasser des complexes que nous avons nourris. Il y avait une jeunesse qui est très en demande, une jeunesse qui très envie euh, de changer les paradigmes. Elle a répondu très présente à, cette euh, cérémonie, à ce festival, puisque la salle était pleine et qu'il y avait des questions. J'aurais voulu que ce soit plus long, mais on n'en avait malheureusement pas le temps de répondre à toutes ces questions. Et c'est aussi le moyen de faire qu'on écoute les jeunes. On parle beaucoup des jeunes, mais il faut peut-être qu'on tende l'oreille pour savoir s'ils ne sont pas la solution plutôt que le problème. Je ne sais même pas si elle a besoin de mes encouragements à la jeunesse. Je ne crois pas. Je pense que c'est une jeunesse qui est consciente et qui sait qu'elle doit lutter maintenant. Seulement, elle doit comprendre qu'il n'y a pas des amitiés, il n'y a que des intérêts. Et qu'elle doit veiller sur ses intérêts et qu'elle représente l'avenir du Niger, mais aussi de l'Afrique, parce que euh, en 2050, un jeune sur deux sera africain dans le monde. Elle est aussi l'avenir du monde. Je pense que, euh, je pense que c'est encore l'histoire de raconter vous-même votre histoire, mais que euh, pour qu'on nous prenne un peu plus au sérieux les médias africains, il faut que nous sortions du hard news permanent. Tout le temps à raconter ce qui vient de se passer, tout le monde sait le faire. Or, il y a des choses importantes chez nous que nous pouvons montrer, des documentaires, nos traditions, c'est important. C'est ça le vrai narratif. Notre histoire. On est à Niamey. J'ai pas encore vu un documentaire sur Hamane Diori, sur Djibo Bakari. J'ai pas encore vu un documentaire sur, même sur Tanja qui est mort il y a peu de temps. C'est important. Les Nigérians ont envie de savoir ce que vous avez pensé de Tanja. Et demain, quand quelqu'un de l'étranger va le faire, on va le regarder. Vous allez dire, oui, mais pourquoi ce sont ces documentaires que l'on regarde Parce que vous auriez pu le faire. Vous avez les mines au Niger. Pourquoi vous ne faites pas des enquêtes dessus pourquoi vous n'allez pas sur le terrain pour chercher Le fait qu'un ministre inaugure un, bâtiment, j'ai presque envie de dire, quand on est une chaîne privée, on s'en fiche complètement. Ça n'a pas d'importance. Mais pourquoi vous devez vous concentrer sur le fait que vous devriez aller voir le ministre qui inaugure Ensuite, au Parlement, on a dit ceci, etc. Si déjà, ça n'intéresse pas l'auditeur ou le téléspectateur, donnez-lui ce qu'il a envie de voir. Faites un documentaire sur la polygamie, comment on vit la polygamie ici, sur l'autonomisation des femmes, sur la jeunesse. Racontez votre histoire. C'est ce que j'ai envie de dire parce qu'en réalité, vous allez avoir du mal à diminuer les complexes des dirigeants qui ont envie d'écouter les grands médias internationaux plutôt que d'écouter leurs médias. C'est un complexe, ça je vous l'accorde. Il y a beaucoup de complexes de ce côté-là. Il a envie d'entendre qu'il est passé sur RFI que sur, ou sur France 24 plutôt que sur un média local. C'est dommage. Je le déplore profondément, même si moi j'en bénéficie aussi. Mais en même temps, étonnez-les, soyez créatifs. C'est un peu la même bagarre c'est la lutte de la créativité. Qu'est-ce que je monte Je me lève le matin, je vais montrer quelque chose qui se passe dans ma ville. Je prends le temps de le faire. Pour faire le documentaire sur Seni ça m'a pris sept ans. On n'a pas besoin que j'aille montrer le même jour qui a inauguré une route qui va à Berry, ou euh, si le ministre de la Jeunesse et des Sports est allé inaugurer un petit stade quelque part. Non, c'est peut-être important pour lui, mais c'est lui qui doit vous solliciter pour ça. Si vous arrêtez de le montrer, il va courir vers vous parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais puisque vous êtes derrière lui tous les jours, il se dit qu'il est important que vous veniez et que c'est pour ça, c'est pour vous l'info. Mais ce n'est pas ça l'info. Le vrai truc d'un média africain aujourd'hui, c'est de montrer la vie de tous les jours. Mais la vie de tous les jours, n'est pas l'actualité, ce n'est pas la politique. il y a tellement de sujets, tellement de sujets. Donc il faut aussi se dire, est-ce qu'on n'a pas une part de responsabilité dans cette situation